non si les Sénégalais étaient Ousmane Sonko bi mu duggee législatif c'est même période bi parce que législatif 2017 juillet 2017 la won présidentielle bi février bu deuxième tour lay am mars 2019 donc même période bi juillet 2022 mars 2024 donc même même même même même même échéance là Ousmane Sonko plus fort reste la duggee amul nombre de voix Il parle Djibril Fall amoon 37000 voix la mais bi mu demee assemblée nationale ba taxaw le sénégalais yi bobu la sénégalais yi député ni dogo am à l'assemblée nationale. loolu moo tax mu 37000 courbe bi def ni ba 687000 fois yow ngay dem assemblée nationale avec près de 50 000 voix un an et demi courbe bi wàccaat ba 000 voix muy 0,41 pour 41%. interroger ce bop est-ce que ci une prise de position est-ce que ci sa qualité.

texte contre texte chiffre contre chiffre Soit da nga xam fan la dëgg là, ak lan aussi kon nag fossoyeur de la république parce que terme boobu Macky la ko mais terme de nice te les ennemis contre la révolution antisystémique les ennemis de la révolution antisystémique du changement structurel du pays une occasion historique nous avons pour leur faire face à élection législative nous 17 novembre 2022 2024 une élection décisive cruciale dans l'histoire du pays élection est nag ñetti enjeu premier enjeu du éviter nous déstabiliser à travers l'Assemblée nationale parce que les démons du système, premier, premier instrument pour déstabiliser le gens, c'est passer par les institutions. Ce qu'on a fait, c'est que ah, pouvoir aux députés, Ils ont des def motion de censure ils ont des bloquer loi ont ñoom ñoo tax budget du diable. donc il faut que nous bàyyi ci xel le premier enjeu deuxième enjeu c'est de faire une assemblée de rupture parce que nous, Sénégalais, nous sommes des députés de qualité pour contrôler l'action du gouvernement. Mais pour voter des lois, nous avons le gouvernement le mais nous avons une initiative. Mais évaluer nous aussi les politiques publiques. Nous savons est-ce que nous avons yoré, jarna yor wala jar yor, est-ce que fi mu jëm baxna. Mais ñettelu enjeu bi moy ñun dañu soxla may président Bassirou Diomaye Diakhar Diakhar Faye majorité écrasante à l'Assemblée nationale pour envoyer un message à la communauté internationale et au monde entier que ce peuple qui a tant souffert, qui s'est battu corps et âme, qui a donné sa vie, sa liberté, tout ce qu'il avait de plus cher pour déboulonner le système est toujours derrière les personnes qu'il a, placées à la tête de ce pays. C'est dañ ko wara renvoyer comme message pour ñepp xamné sommes askanu Sénégal nous avons ak gouvernement au Sénégal c'est un enjeu fondamental Nous avons mooy enjeu élection yi nga élection 17 novembre 2024. enjeu yi nag suñ ko xamé ñun dañ ko mesurer nous devons enjeu yoyu ñun ñi nga xamné Sénégal mais nous devons ñu ñu langue Pastef surtout les jeunes patriotes ci lolu lay wax nous posture nañuy xaar a ñetti taxawaay bi nous éviter la division nous vous tenons un discours fédérateur quelles que soient les personnes qui seront investies sur les listes unissons-nous pour une assemblée majoritairement patriotique deuxième taxawaay bi mooy discipline mooy ci parti politique nañu nek les règles d'organisation nous ñu teunk ak ki nga xamné mo jité parti bi yoon bi mu xal ñun ñëpp nañ ci pour am ay élections législatives yu ay pour notre parti politique qui est toujours jeune et qui doit apprendre à fonctionner comme un parti aux affaires ou au pouvoir kon discipline troisième travail, bi moy mobilisation mobilisation soyons mobiles pour dem le suffrage Nous avons bu ñu retrait carte électeurs 35 jours avant l'élection. yi lay le 22 octobre Nañu une commission de distribution yi Nam une révision des listes électorales wayé ñi fait une carte sous préfecture ak préfecture nañu dem commission de distribution yi suñu à partir du 22 octobre beneen bi mooy ñu dem représenter la liste de passifs et éventuellement de ses alliés dans tous les lieux de vote muy centre ak bureau de vote pour sécuriser le vote et le scrutin ñettel bi nak moy préparer pour une campagne électorale exemplaire te l'ordre de la mobilisation de toutes les instances du parti de toutes les structures de base mais de tous les jeunes patriotes en tout cas toutes les fédérations départementales de la GPS, coordination communale section universitaire coordination unique diaspora nous avons à une mobilisation sans faille pour l'élection du ñu comme les soyons unis soyons disciplinés mobilisons-nous pour une victoire éclatante au soir du 17 novembre prochain et pour une assemblée de rupture au profit du régime du président Bassirou Diomaye Diakhar et de son premier ministre Ousmane Sonko. Je vous remercie de votre aimable attention.